auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu de ce jeudi 1er août 2024. Au micro, je suis Habiba Ahmed avec moi, Maria Mahdi. C'est un réel plaisir de vous accompagner ce matin pendant une heure de temps d'information et de divertissement. Bonjour Mariam, comment tu te portes Très bien Habiba, ça va chez toi Ça va bien Mariam. Un coucou à nos collègues qui nous accompagnent de l'autre côté de la vitre. Il s'agit de Adam Adawaki et le technicien du jour Mustapha Ayouba. Nous débutons le programme par une flèche d'information. Après suivra les autres rubriques qui sont le la culture linguistique et la rubrique portrait. Une page sport nous sera présentée dans cette émission comme tous les jours. Nous ferons un tour à Tawa pour le cours des régions. À la place de l'invité, nous suivrons un entretien sur l'environnement avec Sana Ayouba responsable des jeunes volontaires pour l'environnement, qui nous parle de l'implantation des arbres. Vous en saurez plus sur ces sujets dans un instant. Mais ce vaste programme sera entrecoupé par des belles musiques nigériennes. Chers auditeurs, restez branchés sur les ondes de nos radios partenaires. Top, c'est parti. Chers auditeurs, tout de suite les flashs d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. Bonjour Habiba. Bonjour Rafika. Alors pour ce matin, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l'État nigérien, le général Abdrahman Tiani, a adressé des messages de compassion à ses homologues maliens et russes suite à l'attaque terroriste du 25 juillet dernier dans la zone de Tinzawatin au Mali. Cette attaque a occasionné la mort de plusieurs militaires maliens et membres du groupe russe africain corps ainsi que des blessés et d'importants dégâts matériels. Le corps de la police nationale du Niger sera élargi de trois nouveaux services, a informé hier le gouvernement à la suite du Conseil des ministres tenu le même jour. Il s'agit notamment du service des attachés de police, du service central de production de la carte nationale d'identité biométrique et du service central des archives de la police nationale, précise le communiqué. Le département de Cologne, région de Tilabéry, accueille la première édition du camp international des jeunes éco-citoyens. Il a été lancé mardi par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel-major Maizama Abdellah, placé sous le thème La Grande Muraille Verte au Niger, la jeunesse passe à l'action. Plus de 200 jeunes des huit régions du Niger et ceux du Burkina Faso et du Mali prennent part à cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la fête National nationale de l'arbre le 3 août. Ces jeunes campeurs doivent, entre autres, réaliser le traitement biologique du site dénommé Bois du 26 juillet par la plantation de plus de 15 600 plants d'espèces d'arbres locales protégées et mener des activités de communication et d'éducation environnementale. C'est tout pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, les sujets sur l'importance de l'implantation des arbres est à suivre dans cette émission et c'est avec Sani Ayuba. Mais avant de l'écouter, chers auditeurs, nous allons retrouver le groupe Nuflo, un groupe de jeunes rappeurs de la région Tawa qui nous chante le titre Tacha Amanata. mita naso ni kuma na yarda da ita sannan mu amince ma juna soyayya wada sai aure mini ya san saki mini haka e ma baki na shi abin kauna to baki san komi mu na tare asiki na komi ta caye asiki na komi ta caye abun na tara ta caye daga baya na san abun se sai da na koma banda komai yanzu gashi nan ba ni ba ke ni na ci gaba duka na elle était jolie et aussi canon oh go, elle était mignonne elle m'avait promis de ne jamais quitter l'amour sans abandon qu'on mener Tachamanata longtemps, hein. Tacha qui veut dire Elle m'a trahi en langue Hausa, c'est exactement le titre de ces morceaux, de ces morceaux qui relatent une histoire d'amour qui s'est malheureusement terminée par une trahison. Le groupe New Flow est l'un des meilleurs groupes de rap de l'ADER depuis 2017. Il est composé de trois jeunes rappeurs très appréciés par les jeunes de la région de Tawa. Nous leur disons bon vent. yi ashe waye ta ci amana ta ta ci amana ta yanzu gashi na rasa ya san I search you very well but I don't you where are you you go belong all this time beautiful girl you muda sonta namata atpegita ina banga taba tuka amanata na bata she ni ya niyachema ibasiga wana atashi tabudeni tashika dunia tabani basamba yanzu ya zani weyo tatuteni weyo ala tatuteni nashika zulume tabani esa C'est amana du groupe de jeunes rappeurs Passons à notre entretien, Mariam. Oui, Habiba, de la première partie de notre entretien, Sana Yuba, responsable de jeunes volontaires pour l'environnement, met d'abord l'accent sur l'utilité d'un arbre de la société et les conséquences qu'entraîne la coupe abusive sur ce dernier. En effet, la coupe abusive des bois pour utilisation domestique constitue un problème de santé à travers la fumée qui sur l'être humain. Cela favorise également le phénomène de la désertification et la pollution de l'environnement. Il est interrogé par Tarnan Foudé Ahmed. Écoutons. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire les boîtes de chauffe, euh, leur coupe et leur utilisation a un impact sur l'environnement Oui, merci bien. Euh, pour répondre à la question, il faut déjà parler de l'avantage d'un arbre, parce qu'on sait que l'arbre constitue ce qu'on appelle un puits carbone. Donc l'arbre, euh, quand on le laisse vivre, stock en moyenne entre 10 à 50, euh, euh, je pense, euh, tonnes de COD. Donc, ce qui fait des arbres ou des forêts ce qu'on appelle les puits carbone. Donc, c'est des réservoirs de carbone. Aussi, cela permet de réguler un peu la qualité de l'air mais également contribue à cette séquestration du carbone dans l'atmosphère qui est responsable en partie aussi du changement climatique. Donc, Imaginons euh, un seul instant qu'on coupe les arbres, c'est-à-dire en coupant un arbre, on libère euh, le CO2 qui est stocké dans l'arbre et cela va accentuer la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui sont aujourd'hui responsables du changement climatique. Ça, c'est d'une part. là de l'autre part aussi, on peut dire que euh, le fait qu'on utilise euh, beaucoup de bois pour la cuisson constitue également un problème de santé publique parce qu'aujourd'hui, la fumée tue, même s'il y a, euh, je n'ai pas assez de chiffres, mais il y a beaucoup d'évidence là-dessus pour dire que beaucoup de femmes meurent, surtout dans nos pays en Afrique, par la fumée à travers la cuisson, à travers la cuisine ou cette consommation de bois euh, pour des besoins énergétiques. Donc ça, c'est une conséquence aussi pour la santé. Maintenant, la fumée qui est dégagée, non seulement pour la production souvent du charbon du bois ou bien pour d'autres utilisations, peut constituer aussi une source de pollution de l'air qui réduit considérablement la qualité de l'air que nous respirons, donc ce qui peut accentuer un peu euh, la sensibilité aux maladies euh, respiratoires, pulmonaires et autres. Donc ça, c'est un autre facteur. Maintenant, de l'autre côté aussi, par rapport à l'environnement proprement dit, euh, la coupe du bois ou le déboisement favorise le phénomène de la désertification à travers la dégradation des terres. Et donc cela accélère ces phénomènes. Aujourd'hui, dans notre pays qui est presque à moitié ou à moitié, même plus de la moitié est désertique, plus on coupe du bois, plus on accélère ou on accentue ces phénomènes. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs au Niger, nous avons une quantité très importante de terres qui se dégradent. Les chiffres disent à peu près 100 000 hectares de terres se dégradent chaque année. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a une stratégie nationale euh, pour la gestion durable des terres dégradées qui ambitionne de récupérer à peu près 300 000 hectares de terres. Donc, si on ne freine pas ces phénomènes, ça veut dire que chaque année, on a 000 hectares de terre qui se dégradent du fait qu'on coupe les arbres. De l'autre côté aussi, vous savez que les arbres contribuent à la fixation du sol, la fixation des terres, la fixation des dunes de sable. Donc plus on les coupe, plus ce phénomène-là va s'accentuer. Il y a des études qui ont d'ailleurs démontré que l'ensablement du fleuve Niger est dû en partie au déboisement. Sani, vous pouvez nous expliquer surtout cette partie euh, de l'ensablement du fleuve Niger dit euh, à la coupe des arbres En fait, selon des études euh, par certains spécialistes, du fait que euh, les arbres ont été euh, sérieusement coupés tout au long de la vallée du fleuve, cela accentue le phénomène de l'ensablement parce que les arbres qui sont tout au long, parce que regardez, le bois qui est consommé dans la ville de Niamey nous provient de la vallée du fleuve jusqu'à la frontière avec le Burkina. Mais aujourd'hui, du fait qu'il y a une coupe très abusive dans cette zone, donc il n'y a plus de bois. Et donc, le phénomène de l'ensablement s'est accéléré parce que tout au long, en amont ou en aval du fleuve, il y a des dunes de sable. Donc, les arbres permettent de fixer ces dunes de sable et même les vents violents, quand il y a des arbres, ça permet de réduire les impacts. Donc, ça permet aussi de réduire la densité ou les particules qui peuvent s'infiltrer ou bien qui peuvent rentrer dans les cours d'eau pour les ensabler. Donc voilà pourquoi euh, ce phénomène est observé de nos jours parce qu'il y a peu d'arbres. Donc l'une des moyens même de lutte qui avait été préconisée, c'est vraiment d'intensifier les actions de reboisement et de protection des arbres tout au long de la vallée du fleuve. Ça, c'est des solutions à long terme et c'est durable. Donc voilà un peu comment le fleuve est ensablé du fait aussi de l'absence des arbres. Parce que même par rapport à la pollution, imaginez s'il y a du vent, parce qu'on est dans un pays où il y a assez de vent, ce vent va projeter que ce soit les, plastiques ou d'autres particules directement dans le fleuve. Mais s'il y a des arbres, les arbres vont constituer un rempart euh, pour ces particules et ça va stopper leur avancée ou bien ça va réduire en tout cas la quantité qui va s'infiltrer ou bien qui peut se retrouver dans les cours d'eau. Donc ça c'est aussi important. Maintenant, dans les champs, un champ avec plus d'arbres a plus de rendement qu'un champ avec moins d'arbres. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'une des pratiques qui est recommandée, c'est ce qu'on appelle la RNA, la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire de maintenir les arbres dans les champs. Donc c'est très important parce que un arbre dans un champ contribue efficacement à fertiliser le sol. Donc, quand un sol est fertile, donc c'est normal qu'il y ait une production abondante en qualité et en quantité. Et s'il n'y a pas d'arbres dans un champ, on aura en tout cas moins de résultats par rapport à un champ où il y a des arbres. Donc voilà pourquoi on préconise également de laisser les arbres grandir dans les champs pour contribuer à cette fertilisation, que ce soit les racines qui fixent le sol, que ce soit les feuilles qui tombent, qui peuvent constituer en tout cas euh, des aliments pour la terre. Chers auditeurs, comme vous le savez, cette émission fait aussi la promotion de la musique nigérienne. On va encore une fois de plus souffler en musique avec Taolele Birne Adar d'État national avant de poursuivre notre entretien du jour. yake gwani ba bawa ba jilalu wali kirani yajil jilalu wali kirani wami. les chers auditeurs, vous l'aurez compris, c'est le titre de cette époustouflante chanson que vous venez d'écouter qui magnifie la ville de Tawa, capitale de l'Ader. Justement, Habiba, l'artiste Hashmi parle surtout du courage qui anime la population de cette région dans le sens du travail et de la recherche d'argent licite. Et bien spécial dédicace à tous les Adrawa qui sont à l'écoute de cette émission. C'était là la chanson Tawa Tawalele Bernier Ader. À présent, passons à la deuxième partie de notre entretien, Mariam. Sani Ayouba, responsable des jeunes volontaires pour l'environnement, revient sur les avantages de la plantation des arbres et l'application de la stratégie de la coupe contrôlée. Selon lui, il y a une manière de couper les arbres sans que cela ne crée un problème à l'arbre lui-même et à l'environnement. Sani Ayouba évoque aussi les différentes initiatives qui peuvent être utilisées à la place du bois de chauffe, des méthodes simples et efficaces. Il est toujours au micro de Ternan Foudé Ahmed. Donc, euh, vous préconisez que les agriculteurs plantent des arbres au lieu de les couper Oui, effectivement, je pense que nous, nous avons eu beaucoup d'initiatives dans ce sens, allant de la sensibilisation à la valorisation déjà des agriculteurs euh, qui font cette pratique euh, de RNA qu'on appelle la régénération naturelle assistée. Mais également, on a eu dans le cadre des initiatives avec un projet qu'on appelle GESAC et même dans le cadre de la Grande Muraille Verte, donner des plans, en tout cas à des agriculteurs pour mettre dans les champs et même à récompenser les agriculteurs qui ont plus d'arbres dans leurs champs et aussi encourager ceux qui faisaient cela déjà. Par exemple, on était à Dogonkiria. Donc là-bas, des paysans nous ont montré que non, ce n'est pas une pratique nouvelle. Et depuis toujours, ils avaient compris qu'un champ avec plus d'arbres a plus de rendement qu'un champ avec moins d'arbres. Donc du coup, ils empêchaient à ce qu'on coupe les arbres. Et même s'il y a lieu de couper, eh, ils font une coupe contrôlée, ce qui favorise une régénération. Donc ça permet également, euh, si vous avez assez d'arbres, de même nourrir les animaux, même s'il n'y a pas une bonne récolte. Donc vraiment, c'est du gagnant-gagnant. Et nous continuons à faire ces efforts de sensibilisation pour que les gens comprennent quand même la nécessité d'avoir des arbres dans les champs, au-delà de l'ombrage que cela procure pour les paysans qui, euh, dans le travail, ont besoin d'un espace frais pour se reposer. Sani Ayouba, vous avez évoqué tout à l'heure la coupe contrôlée des arbres. Vous pouvez nous dire ce que c'est La coupe contrôlée, euh, ça consiste parce que selon les types d'espèces, il y a une manière de couper, il y a une période pour couper. Donc c'est expliquer aux gens à quel niveau ou bien à quelle, en partie de quelle saison on peut couper un arbre et pour quel besoin. Par exemple, si c'est une exploitation forestière ou c'est parce que euh, c'est vrai, on est dans un pays sahéliens, mais quand même, il y a des forêts où les gens font l'exploitation du bois. Donc, pour l'exploitation du bois, il y a des règles qui ont été préétablies qui disent, selon la surface, il faut scinder ça en trois parties et durant une période donnée, il faut commencer à exploiter la première partie, c'est-à-dire couper les arbres d'une manière contrôlée, comme je l'ai indiqué. Et maintenant, la deuxième phase de, rentrer dans la deuxième partie. il est temps de revenir à la première partie, ça fait déjà entre 9 à 10 ans. Donc, on suppose que la première partie, il y a eu assez de temps pour une régénération. Et en plus de la régénération aussi, il faut faire du reboisement pour compenser un peu les arbres qu'on a plantés. Et c'est ce qui permet de maintenir un certain équilibre. Mais aujourd'hui, les gens ont fait cette coupe abusive qui fait en sorte que la forêt ou bien les surfaces qu'on a n'ont plus la capacité de régénérer la quantité de bois dont nous avons besoin. Par contre, il faut reconnaître au Niger, le bois énergie constitue plus de 90% des sources énergétiques euh, de l'énergie domestique que nous utilisons. Donc jusque-là, nous sommes très dépendants du bois et on doit penser aux alternatives. Voilà, vous avez évoqué des alternatives. Pouvez-vous nous rappeler quelques-unes La première des choses, il faut utiliser des équipements énergétiques modernes ou des équipements qui réduisent un peu la quantité de bois, puisque pour le moment, jusque-là, on ne peut pas interdire aux gens d'utiliser les bois énergie. C'est pourquoi nous, nous avons fait plusieurs initiatives allant de la promotion des foyers à Baldéry, les foyers améliorés qui utilisent la balle de riz comme combustible et des foyers améliorés métalliques multimarmites qui permettent de réduire 30 à 40 la quantité de bois qu'on peut consommer. Donc ça, c'est une bonne chose. On encourage aussi les gens à utiliser les gaz butane parce que c'est le moindre mal, ainsi que le charbon minéral. C'est vrai en termes de pollution, on peut dire que le charbon minéral est très dangereux, mais pour un pays moi je préfère qu'on utilise euh, ces produits-là euh, que de couper les arbres pour les mêmes besoins. C'est ce que j'appelle le moindre mal, parce que dans tous les cas, il y a toujours des conséquences écologiques, mais on ne peut pas aussi s'en passer de cela. Il faut maintenant promouvoir le, gaz butane. Il y a maintenant euh, des initiatives pour promouvoir ce qu'on appelle le gaz bio là avec les biodigesteurs à l'aide des, des Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire les gaz bio En fait, les biodigesteurs, c'est les dispositifs qu'on permet de qu'on met dans les villages ou au sein des communautés qui sont alimentés, vous savez, c'est le méthane. Et le méthane, généralement, on trouve ça dans la défécation des animaux, donc la bouse des vaches et tout ça là. On peut les faire fermenter, mettre le dispositif et cela permet de générer du gaz qu'on peut utiliser pour la cuisine. Donc je pense qu'il y a des organisations telles que CARE et peut-être les, certaines organisations humanitaires qui ont déjà commencé à mettre ça en pratique dans certains villages au Niger, mais également souvent dans les camps de déplacés. Et nous-mêmes, nous ambitionnons de voir avec des partenaires comment installer ça au niveau des camps des déplacés internes pour réduire également euh, leur impact sur l'environnement et puis utiliser ça. Donc, il y a des endroits où, moi j'ai vu des documentaires en Chine et en Inde où c'est même directement à partir des latrines. Hein. Donc, ils font ça avec euh, vraiment la défécation humaine et tout. Donc, l'essentiel, c'est de trouver les de les faire fermenter avec un dispositif de mettre des canalisations. Et vous avez votre gaz, euh, voilà, qui vous permet de, de, cuire les aliments et de faire ce que vous avez envie de faire avec l'énergie que cela dégage. Donc ça, ça existe et puis ça, c'est naturel. Donc il faut avoir les animaux, c'est tout. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Les Niger sur Kalango consacrée à l'éducation numérique. Cette semaine, nous allons parler d'une escroquerie en ligne qui a touché un certain nombre de personnes au Niger. Il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Data Robo qui promettait beaucoup de gains avec peu d'investissement. Pour en parler, nous sommes avec Ousmane, il est rédacteur en chef adjoint au, desk numérique du studio Kalango. Bonjour Ousmane et merci d'avoir euh, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Bonjour. Alors, euh, Ousmane, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette affaire alors euh, oui, c'est une affaire qui a fait le tour de la toile nigérienne euh, depuis la semaine passée. Alors ce groupe d'arnaqueurs vous propose en fait d'investir virtuellement sur des produits économiques très flous qui sont liés à l'intelligence artificielle. Alors les montants investis commencent à partir de 500 francs et peuvent aller jusqu'à 800 000 francs CFA. Et à chaque fois, ils vous promettent de multiplier vos gains par deux ou par trois comment ces escrocs ont-ils réussi à convaincre autant de gens de leur, faire confiance Alors, DataRobot a commencé à se faire connaître sur les réseaux sociaux avec des publicités promettant des retours sur investissement qui sont vraiment très, très alléchants. Et leurs offres semblaient trop belles pour être vraies. Et en général, dès qu'on voit ce type d'offres, ça, doit normalement tiquer. En restant sur les réseaux sociaux, ils ont ciblé un public euh, principalement jeune et mal informé quand on voit la qualité euh, assez médiocre de leur, stop, euh, de spot euh, publicitaire. Par exemple, dans une de leurs vidéos que j'ai regardée, on remarque de fausses voix clairement générées par les outils d'intelligence artificielle qui ne sont absolument pas des voix humaines. Alors, Ousmane, quelle technique à ils ont utilisée alors, ils ont d'abord commencé par une usurpation d'identité. En fait, euh, l'entreprise data DataRobot, c'est une boîte qui existe vraiment. Donc, c'est une entreprise euh, de droit américain qui a été créée en 2012 et qui propose des solutions d'intelligence artificielle pour les statistiques des entreprises. Dès que l'on tape DataRobot, par exemple, euh, dans le moteur de recherche Google, c'est le tout premier lien qui est suggéré. Le lien Internet de cette entreprise qui est www.datarobot.com a été enregistré et créé euh, dès 2004, il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Tandis que le site de notre force entreprise est disponible à l'adresse www.datarobotnew.com. Euh, Donc ils ont juste ajouté un seul mot pour faire la différence, pour tromper la, vigilance euh, des internautes. Et ce site-là, il a été créé en, en mars 2024, il y a juste quelques mois. Ensuite, ils ont utilisé une combinaison de techniques de manipulation psychologique et de marketing euh, plus ou moins agressif sur les réseaux sociaux. Alors, DataRobot a par exemple organisé des œuvres caritatives euh, en distribuant des biens de première nécessité à des personnes euh, vulnérables. Ils ont aussi ouvert des bureaux dans les régions de Maradi et Zender. Ousmane, à quel moment les gens ont-ils commencé à se rendre compte qu'il s'agissait d'une escroquerie Alors, les premiers doutes sont apparus lorsque certains utilisateurs ont essayé de retirer leurs gains, mais qui ne sont pas arrivés. Il y a aussi le communiqué de NITA, donc une agence de transfert d'argent qui a démenti toute forme de partenariat avec Data DataRobot, donc le, faux Data DataRobot, dès le 22 mai dernier. Euh, finalement, c'est la police nigériane qui a mené l'enquête. Et dans un communiqué euh, qu'ils ont publié euh, le samedi 27, donc la semaine passée, la police a indiqué, je cite, Après des enquêtes approfondies, il a été constaté que cette plateforme manque de fiabilité et n'est pas reconnue par les autorités compétentes. Fin de citation. Et donc c'est à ce moment-là que beaucoup ont réalisé qu'ils euh, avaient été dupés. Actuellement, le site internet euh, euh, de cette fausse entreprise a cessé de fonctionner et la police nationale appelle à plus de, de vigilance face aux arnaqueurs et aux cybercriminels. Alors, Ousmane, quelles sont les conséquences pour les victimes alors, dans ce type d'affaires, les conséquences sont généralement désastreuses pour de nombreuses personnes qui ont perdu leur économie. En plus, euh, dans ce type d'affaires, récupérer ces fonds euh, perdus peut être euh, vraiment problématique parce que ces escrocs se trouvent souvent dans d'autres pays, donc très très difficile à traquer. Y a-t-il des mesures que les gens peuvent prendre pour éviter de tomber dans de telles arnaques à l'avenir C'est ce qu'on répète toujours. Alors, dans ce type d'arnaque-là, il faut toujours réaliser euh, des recherches vraiment approfondies avant euh, d'investir euh, de l'argent dans une entreprise ou un projet en ligne que personne ne connaît. par ailleurs, beaucoup de spécialistes en économie disent qu'il est pratiquement impossible de générer 100% de marge sur un investissement dans un délai aussi court. donc il faut vraiment se méfier des promesses de gains rapides et faciles. Il faut aussi fuir euh, les offres qui demandent tout de suite vos informations personnelles, vos numéros de téléphone, euh, euh, le numéro de votre carte bancaire ou votre compte en banque même. Et enfin, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est qu'en général, elle est fausse. Merci Ousmane pour ces conseils et pour avoir partagé cette actualité avec nous. Nous espérons que cela aidera nos auditeurs à rester vigilants et éviter de tomber dans les pièges de telles escroqueries. Merci à vous et à la semaine prochaine. Donc, euh, j'invite tout le monde à être plus prudent. Hmm. à la prochaine. Merci. Chers auditeurs, souffle encore en musique avec le titre Amour à Diabel Zamani, un son qui est vraiment très apprécié par les jeunes mélomanes. Abel Zamani, looking on you. you me? It's your boy HK, baby. Ooh. Ooh. DH Niger. Oh, shorty, will you love me? Father, will you, babies? Love it when you call me Mr. HK, baby. I can get you anything, you know I got money. I'm a superstar and everybody know me. Yeah. Чутки and some money When we sat down what the girls want for we Oh fam, baby you got me going crazy yo I no go lie you oh I love you Oh you they make her crazy yo Shorty you they make her crazy yo oh, You make her crazy yo oh, Your love they make her color they go oh, ah. Le rend malade Rollomden Nin que pas nin nin que pa ma baby Nin que pas nin nin que pa ma baby L'amour rollomden, rollom fou Rollom malade Je vous jure cette fille, elle est belle on dirait moi mi mata Juste pour te dire tu es la meilleure chose que m'est soit arrivée Je t'aime à un point que tu ne peux plus imaginer 24 je ti come posso morderlo J'ai jamais stoppé de t'aimer même une seule seconde Ma baby girl, ma baby girl Ni ba, ni back na Guga hai fote se binara Tay mandini na si makani kani What Watkul nega ba madini na garga Si tu mérites mon bonheur, tu connaîtras le bonheur ma baby girl My baby girl L'amour à l'homme L'amour à l'homme fou L'amour à l'homme malade L'homme Nin nega pa, nin nin nega pa My baby, nin nega pa, nin nin nega pa My baby L'amour à l'homme nigoga dira nigoga haru nigoga dira nigoga makani iphone tu I must salan this day, my baby whoa, whoa, whoa, whoa. Long day. 1991, Abel Zamani est un chanteur et compositeur nigérien. Il enregistre son premier morceau avec son père Salif Balke du groupe musical nigérien Tende à l'âge de 8 ans. Il évolue dans les registres de l'afro-pop et ses chansons portent sur divers thèmes, notamment l'amour. Oh, Après cette pause musicale, chers auditeurs, il est l'heure de passer à la rubrique Écho de région et les reportages région du jour met l'accent sur la prévention du choléra en cette période hivernale dans le département du Koni, région de Tawa. Pour rappel, en 2023, le choléra a causé de nombreux décès dans la dite localité. Face à cette réalité alarmante, les acteurs de la santé, notamment les responsables du district sanitaire de Koni, prennent des initiatives de sensibilisation de la population. Écoutons le reportage de Haroun Ibrahim. yayin da a shekara ta 2022-2023 gundumar garin birnin kwani ta fuskanci bulluwar cutar kolera sakamakon rashin tsabta da kuma hada iyaka da birnin kwani ta yi da lilar nigeria da har yanzu suna fama da birbishin wannan cutar ta kolera a daidai wannan lokacin ne na damuna likitoci a asibitin birnin kwani suka tashi haikan domin jan hankali ga al'umma domin kiyayewa da tsabta don yaƙi da wannan wannan cutar a wannan shekara ta bana kamar yadda za ku ji ta bakin ali nuhu shugaban ma'aikatar da ke kula da harkar tsafta a babbar asibiti ta birnin koni rashin lahiya iri-iri suna samuwa ta fannin wannan ruwan da ake yi akwai na ɗaya masassarar cizon sauro a kula kuma da tsafta ta mahali tsaftar gida amai da zawo akwai shi kuma amai da zawo ba wani abu ke kawo shi kazamta tunda abu ne wanda ake ɗauka cikin abinci ake ɗauka cikin ruwa ake ɗauka ko ina da mai kwalara guda ya yi zawo cikin wasu ruwa wani ya ɗauka kenan nan ma ya kamata a ɗauki matakai tsafta ta ruwa alheri ce saboda mu samu mu kiyaye mu da wannan abu bana da ya zamanto in mutane sun ɗau matakai gashi abun ya zo mana da sauki to muna fatan wannan abun ya daure ko kullum ma ko ba haka ba tunda nan Nigeria kusan yanzu haka akwai kwalara kuma mutum guda in ya zo da ita cikin garin ga yana sama mutum ɗari ko fiye da ɗari danan ne wani lokaci wani ɗan kasuwa ne sai ya ɗauko ta daga can ciwon bai kwantar da shi sai na to kun ga ko ɓanna ta yi ashe ku a kiyaye abin da muke nuhi tunda ana iyaka to lalle ko ba ko ka samu ka nura saboda ka tsare ka kuma ka tsare al'ummar da a tare da kai. suko a nasu bangaren magidata sun yi maraba da wannan kira da likitoci suka yi ga abin da suke cewa. maganar likitoci ta tsafta ta maganar kwalara ita doka da gida na ta tashi likitoci su tsaftace likita tun da nan likitan nan akwai ɗakin da in ka shige shi bai ma shiguwa kenan tsafta in likitoci sun suka fara tsafta mutane suka gani su ma nan na za su ɗauka tsafta da mahimmanci da ka zo kai da dauɗa ka in ka ga wurin nan an share shi an gyara shi da kyau ai ba kai da ka yi dauɗa cikin shi to babu tsafta cikin likita kwanne babu ta tsafta tana da amfani ka share gidanka ka share kofar gidanka in kana da ruwan dauɗa ka ɗauke su ka kai su daji ka yi ma ɗanka wanka ka wanke mishi idanu mace ko ke ki tsabta ka cikin ki kina jin daɗi gidanki ma in zaki taka da kawai kina jin daɗi kenan ita tsabta tsabta cikin addini ta abin da shafi kira wanda likitoci ke yi kan abin da shafi kula da tsafta da kuma kula da yara kan abin da shafi cuta wadda ke shigowa a lokacin damana wani abu ne wanda yan rataye ma ga magidanta ma na su kula da abin da shafi tsaftar yara da kuma abin da ya shafi kamar barin ruwa ceme haka da sauransu da haka ni gano tunani ma ya kamata a ce ma miri ta yi tsari kan abin da shafi eh, gwalalan nan tsafta ta abin da shafi wanke hannuwa shi ma likitoci suna fadakarwa kan idan mutum zai ci abinci da likitoci da addinin musulunci ma ya karantar da wannan idan zaka ci abinci ka wanke hannayenka abin da shayi kuma ruwan sha su ma kamar wanda inda babu ruwa misali kauye shi ma kamar yadda likitoci ke cewa ya dace a ce kamar ana eh, dafa ruwa su tafasa sannan sai a sha kuma duk ruwan da ba su gudu suna wuri guda su ma kaga yana da kyau a ce idan za a sha su an dafa su. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, à présent, nous en arrivons à notre page sport. Nous allons parler de l'athlète nigérienne Semira Awali Gerba qui participe aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle est sprinteuse qualifiée sur les 100 mètres. Elle sera en piste le 3 août 2024 au Stade de France. Notre reporter sur place Adam réussi s'est entretenu avec elle. Nous l'écoutons. Je suis rentré en phase de préparation pour les Jeux depuis le début d'année 2024 et je suis prête pour affronter cette étape. Donc mon objectif c'est de décrocher une médaille olympique pour le Niger et dans le futur aussi, me préparer pour les grands événements, défendre le Niger valablement comme il le faut. je rappelle aux jeunes filles que le sport n'est pas réservé uniquement aux hommes. Aujourd'hui, on a des femmes championnes olympiques, championnes du monde dans des différentes catégories de sport. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ne pas avoir l'esprit de seulement rester à la maison en tant qu'une femme et à s'attendre seulement au mariage ou quelque chose d'autre comme ça. Venez pratiquer les sports, ayez confiance en vous et espérez avoir une bonne représentation pour le futur dans le domaine des sports. J'ai jamais imaginé que ma carrière pouvait être un jour aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, je suis aux Jeux Olympiques de Paris et vraiment, je suis très très content. C'était la Samira Awali Gerba, sprinteuse nigérienne aux Jeux Olympiques de Paris. Habib, avant de fermer cette page des sports, nous allons parler des TGV de Lazare qui a débuté le dimanche dernier, dans lesquels 24 équipes sont en compétition. Un match d'ouverture, l'équipe de Banfandou a eu le dessus sur l'équipe de RCL sur le score de 3 buts à 1. Voilà, chers auditeurs, c'était là la page sport. Mariam, qui allons-nous découvrir dans la rubrique portrait d'aujourd'hui eh Aujourd'hui, nous parlerons de Mohamed Al-Zouma, alias Electro, un jeune célibataire humoriste âgé de 28 ans. Electro est un jeune talentueux qui a commencé la comédie depuis son enfance. Son portrait avec Aminata Boubakar. Jeune et lancé et teint clair, Mohamed Alzouma a commencé la comédie depuis son jeune âge. En plus d'être comédien, il est diplômé de l'IPDR du Colo, section des hauts et Écoutons-le. Dans la vie, je fais beaucoup de choses hein, parce que je suis artiste, humoriste et je suis encore diplômé de l'IPDR. La comédie, c'est quelque chose que vraiment j'ai acquis ça depuis mon enfance. J'ai fait une vidéo euh, en 2020, donc la vidéo des néants. C'est vraiment une vidéo qui a été virale et je crois que c'est à travers cette vidéo que je suis lancé aujourd'hui. Malgré l'amour pour la comédie, le jeune Electro rencontre des difficultés dans sa carrière d'humoriste, essentiellement à raison du manque de soutien de ses amis et des autres artistes. Vraiment, jusqu'à présent, je rencontre des difficultés parce que eh, la vie, c'est un combat. À chaque instant, tu tombes, tu te relèves. Les premières difficultés que j'ai eu à rencontrer, vraiment, c'est auprès mes amis. Ce que certaines fois les amis ne me parlent pas quoi. Quand je trouve quelqu'un, je lui dis bon viens, on va faire quelque chose et puis bon, la personne c'est à chaque instant le refus. Donc euh, Dieu merci maintenant ils sont en train de m'appuyer. Et au niveau des artistes, je peux le dire qui sont devant nous, vraiment si tu vas vers eux, c'est des gens qui t'aident pas. Abdelrazak Ilobizo est étudiant en droit public, il est aussi un ami d'enfance de Mohamed Alzouma. Il nous témoigne le courage et le talent de son ami. Je le connais, c'est un ami d'enfance. Sur sa carrière de comédie, il a un bel avenir. Il n'a qu'à s'y mettre corps et âme et puis avoir au moins ça, les soutiens des uns et des autres, comme il a eu à le dire. Franchement parlant, mais concernant, je le soutiens à 100%. Il a tout mon approbation ma gratitude. Mohamed Alzouma, connu sous le nom d'Electro, demande aux jeunes de ne pas rester tendre la main. Il les invite à créer des activités en dehors des études. La jeunesse doit se mettre debout pour mieux subvenir à ses besoins, conclut-il. C'était le portrait de Mohamed Elzouma réalisé par Aminata Boubakar. Un dernier tour à musique avec le son Masou Masso de l'Omega. I'm Batman, Monsieur le maire. Le remix à Mos Mosso. 2003, ça a commencé. Tout comme ce gamme Yafa, sans flex, ton âme. Moussa Donaghi sur le net, il gizamine tes beaux fesses, car t'as mis ta grosse caisse, c'est mes gars qui fait le watch. Mos Mosso, Mos Mosso. Moussa Donaghi sur le net, il gizamine tes beaux fesses, car t'as mis ta grosse caisse, c'est mes gars qui fait le watch. Mos Mosso, Mos Mosso. Poussado lady sur le net, il qui tes quelqu'un mis ta grosse morceau Mamifa pour malamasso Il m'a mis la halegato Mega top sur le micro NMC du haut niveau Du zazaga du karkato Yari nya du malamasso Aiga bay ma chinise Mega wose voru fada Mamifa j'ai fait un choix Follow-moi une grande histoire J'ai la foi et j'ai eu grand De Niamey à jingiston, On se pose le raga On est là pour le raga Comme ou un uba Kunyi kunyi kungaza Gamuna et tien faye Ito e et tien faye Aina maika folaza Aina niya folaza Aina raga folaza Ne di baby sa chérie vous badi Mega di sasa boucherie. Moussa Doulaye sur le net, il guise à tes me fesses, quelqu'un t'a oh, oh. mis ta grosse caisse, c'est mes gars qui fait le what, moi je m'en sors, moi je m'en sors. Moussa Doulaye sur le net, il guise à tes gros fesses, quelqu'un t'a mis ta grosse caisse, c'est mes gars qui fait le what, moi je m'en sors, moi je sur le net, il guise tes gros car quelqu'un mis ta au début c'était un texte, je te prie, bouge-moi tes fesses. C'est ce gagne, fait des beaux gestes. Si tu aimes ou t'as pas aimé, l'homme ye. Pas un dingue, renégat, en galipant. Mr. Metur, Yofera, Anyamai, Eria, Yarinya, Chizazaga, et Wandiya, Manugama, Negiraga, Sagagara, Lokachin, Dokmeka, un banzan, ce Chekiwa, une cambada, c'est pas du rap. Je te fous si tu dérapes, limite-moi, c'est sa parole. Autour de mon chemin, Ganani, Fonda, Bogariga, Moro, Aïe, Nesiba, Emizafa, Dola, Momo, Moro, Aïe. Inch'Allah, l'histoire nous jugera.

Je laisse derrière tous les crétins qui passent son temps à torpiller. Nisité, bofote, mon amante, mon tigné, et wodinsie, mon aftare, wala jasei. Nisi jido kom niga, na ama koi ginga mano. Mokul nima, aida wani, ya amma bore, gabe ka lomega woga wani daino. Yama, aina doni ka gadu ka jigir bore se. Aki goga te, asiga te, nije la bora, aina doni ka ainaragaka mbaby zay gonoka iaignane asika te daga falame ya tomakoiga te mbalomay gasikany se nigiba isolo wadi woci mifondono beberut be bujovo fes mogadi kambasito dola kalma hinsuru musuwani sani nyeza tomowani danga ya musado lady sulonet girgizami ebofe karkatami tagoske semeiga kifelo wesh mosmoso nyeizo nyeizo motunga eni bonse nyeizo nyeizo motunga eni bonse Repose à paix, Farflex. ça, de l'aigle sur le net, Il des amis tes beaux fesses, Calcata met ta grosse caisse, c'est mes gars qui fait le what. Moi ce morceau, moi ce morceau. Moussa de l'aigle sur le net, Il des amis tes beaux fesses, Calcata met ta grosse caisse, c'est mes gars qui fait le what. Moi ce morceau, moi ce morceau. Moussa de l'aigle sur le net, Il des amis tes beaux fesses, Calcata met ta grosse caisse. Personne n'a Farflex, comme Narukango Yoka, Amitsumame. C'était là la chanson Mosmoso de l'Omega, en enchaînant avec la chronique Loti qui parle de l'hygiène corporelle. Eh oui, Mariam, pour se sentir belle, bien dans sa peau et plaire à son conjoint, la femme a besoin d'une hygiène corporelle particulière prendre soin de son corps avec un budget restreint si possible. Les détails avec Rabia Mekono et, Hawa Ousmane dans notre rubrique Lotti. Écoutons. Hey! san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta kin sani ko kenan ya kamata mu yi hattara gaskiya tun da kana shiga mutane kana tahiya sabga jikinka yana wani iska marar daɗi hmm, abun kuma ma kana da mai gida yana gudunka <laughs> yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana damunka to ina mahuta tun da gaskiya dai muna bakin yin mu wankan muna yi sahi da maraice har da yamma ai wankan wannan kaɗai bai ya isa tun ba a wannan zahin ba akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ki a ko da yaushe kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi kin ga kamar kahin ki wanka kina iya daukan wannan lemun tsamin ki raba shi biyu ki hada shi da tahi amarya kamshi ki goga su hammatanki da duk lungunan lungunan jikinki ki jira minti ɗaya ko biyu sannan ki shiga ki ki wankanki to insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki hmm. babu shakka tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ke ma zaki ji daɗin ki lalle gora ce mini sai kuri a'a kawale ta ce miki rangwada ba ta karewa kawai kina rangwada ki shiga inda kike so jikin ki tsaf ba ruwan ki. Grand merci aux desk femmes de la rédaction. Après ce loti, accueillons Ali Niali pour la culture linguistique en Fulfuldi. Bienvenue Niali, vous allez bien j'espère Merci euh, Mariam, comment vous allez Ça va, quel est le mot du jour Le mot du jour aujourd'hui c'est l'amitié. Ce mot amitié a été expliqué en anglais, en français, en germain, en hausa et aujourd'hui nous sommes venus pour l'expliquer en Fulfuldi. bandiraɓe barkinaɓe hettinaniɓe sigilaji studio kalangu e niger sur kalangu kor jam wite e moɗon hannden ni en gari nantinde konngol faransire konngol biyetegol amitié konngol faransiregol enden ni eɗen mbawi nantirde ɗum higiraku caka himɓe lawol soɗodirde hidde nde wawi duni fa hannden laatade caka gorko e gorko caka debbo e debbo na caka gorko e debbo na rooɓe feccidoɓe habaruji cakka mum en ngam nafodirde dow laabi neɗɗaku heɓi adamaku dalila o du waddi ko capanɗe tati lewru juwet hitande fuu batugu enɗen no waɗe hollude himɓe nafakka narrude cakka mum en e nafakka duni fa hande waɗude higiraku cakka mum en ñalowma o duni fa hande capanɗe tati lewru juwet hitande fuu kan ittana nder leyɗe duniyaru ngam waɗude batugu enɗen voilà tout pour aujourd'hui Merci pour cet éclaircissement. Merci et bonne continuation. Merci. Chers auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les ondes de nos radios partenaires. Justement, Habiba, écoutons le message de quelques auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ay magatin mummu na sule matron de ton de kuindi ayi ga studio kalanga hangare ya zama labari hanne na guno bores fa kare yana aguno kan yan iga borbe gendi do bonni hangar mo ag igin nafa lakkal kana bon e labo ke di ruwo bon il do kon yo communautaire lokaci kul ki feri kul information kul ki gogno il gogo mara studio kalangu wana ni sunana umaru sanda muna gaida video studio kalangu domin sababbin shirye-shiryen da waɗanda suka yi suna birge mu kina nan mai fuɗe gari a bisan tabe ngoni ile nyol amen fu da hu min getti hu shirye-shirye jini da ngoni ɓe gaɗa hay do dodon don duɗo to ngoni min getti kinna nan ya aminu ɗo to woni da ibu ibube en umaru en ɓe hu jampele men ngoni ɗo wuro ya wuroje na suka jampele walla alhamdulillah suna na rashida sule mai lakabi suna la'ar to studio kalangu muna jin daɗin kasancewa tare da ita a kowane lokaci don da inda shirin su ya kama to duk inda zan nemo portable ina in samu saurari labarai ina nemo shi saboda ko da bani da wayayin whatsapp ne in dai ina da salula wadda zan saurari studio kalangu to ina nemowa ne saboda in saurari labari ta kan studio kalangu saboda duk abin da ya faru a niger kowane iri ne kai tsaye suna watsar da shi ina jin daɗin kasancewa tare da su a kowane lokaci allah ƙara musu goyon baya ɗari bisa ɗari kuma allah ya bar mu tare da su farko dai ina gaida ma'aikata duka na studio kalangu ina ba su dubun gaisuwa da fata alkhairi sannan kuma duka ma'aikata radio dalol ina gaida su sannan akwai ma'aikata daban-daban duka ina gaida su ma ina musu fata alkhairi akwai tonton ina aliyu mai rija shi ma ina gaida shi akwai babana ɗan galmi ina ba su dubin gaisuwa da fata alkhairi akwai kusu muna musu godiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh istido kalangu irgo ga sabun se irgo ga sabun mo ni goitere kul marganta se wani wana na bare kanyan irga hangan a lokacora da tare labu irgo garan fondo kokoro irgo ga aran se da nyak fosin tara karan goga dabu ka koy labo gundu kunara ka borai ta afo da wana wana na mai karan namai karango gabandi wodin irgo ga sabu studio kalangu sai kigin da zari irgo ga hangar mo kigin da zari irbo mai feri irgo ga sabu irgo ga ware irko mo tonton studio kalangu da hangan koi da goitere kul marganta ya dinno irgiri foyan tonan di iri wani shine kan kangogi hanganga ga motare labera wani wana hasan ikizi falum fa din amérique ta zini adam tamzir din kutunu bene ya dinno mun kai la winde kan gono din tawa irgogel fonton ɗiɗo wana wana boɗenno kanki studio kalangu hanga noɗin tere laɓera irgo garan fo irgo garan bani ha assalamu aleykum studio kalangu ɓuura kulma taran hire garan fo igan bani ha iri garan fonde goye mode ko karode tanga mo kanga arango wati kulu kanga arango ga nigérien mandame kango woni niger labora ango ino alba haru ceken te tabbatan dai ɓuuray kango woni niger labora ɓuuray kango diaspora labora iri garan fonde goye kongo aino sumna ko hamani chimba kango ne go yude kwara dan cendu labora sintina dai ay go ga director radio da lol kango ne balla ya ay go ga hirbani ay go ga go yude bura manda me hirbani nganda dan chendu cendu labize nan kan kini go ay go ne gi hirbani ay go ga salamiga iri garan fonda go ko kango kanga arango wati kulu wadi banda mo ay sindin yan sayda abdu windi tan kango ga bore no bon ferey dado da lola radiya bon kango ne balla ya so do kalangu mataren hire mataga hame aino hamma halidu balle yara ta kazar labora wallahi si don kalangu labarai do hare igo gamare labarai gumgumo ko kanise bon fere de labarai do tare wone de bindora wone na muna mai do koyne ye kanise bon fere kan gumgumo igo ma marka ga gunda zami so kalangu labarai do hare sani kurkan ga ma a labaro gono ya din ga igo ma sai gumgumo ya din no igo ga hangan mo koyne na mai se na mai mo iri iri igo ga mai se marka ga himanda ago kanise bon fere gumgumo sai da abdu balle yara ai ga fo sai ga hanise Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. L'amour, c'est un sentiment qui atteint l'ennemi par un autre. Qui cherche trouve Aime celui qui t'aime. Tu abandonnes tes ennemis. Amosudo. quand les grands font le soir, les petits ne font que raconter. La Gazwana à la place. La Gazwana. émission de ce jeudi 1er août 2024. Vous étiez en compagnie de Haïba Ahmed et moi-même Maria Le rendez-vous est pris demain à 11h avec un nouveau duo. L'édition a été assurée par Adam Adawa qui est à la technique. Nous avions Mustapha Ayouba. Bon appétit si vous êtes à table. Bye bye.